بسم الله الرحمن الرحيم Soyez les bienvenus aujourd'hui encore sur euh, l'émission Sharia Intelligence. Et aujourd'hui, on aborde le sujet du Sharia Intelligence, ah, le sceptisme et le remerciement et la reconnaissance à ah, du Sharia Intelligence. Et j'ai avec moi dans le studio M. Ah, monsieur Ismail la sœur Khadija. Euh, moi, c'est Teslim euh, Adiyama. Euh, sœur Khadija, quelle est la relation entre le thème charia intelligence et l'intelligence humaine Selon l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a décrit la relation entre la raison et la révélation comme les yeux et la lumière. Il a euh, parler de, quand nous, nous insistions d'utiliser seulement la révélation sans la raison, c'est comme si nous ouvrions nos yeux mais dans l'obscurité. Et quand nous utilisons seulement la raison sans la révélation, c'est comme si nous étions en plein euh, lumière mais nous couvrions nos yeux. Merci beaucoup. Donc, ah, euh, quand on parle de euh, euh, la, relation entre la révélation et l'intelligence humaine, l'intellect humain, ah mais ça c'est intéressant. C'est comme, si je reprends ce que vous dites, c'est que quand, on croit en la révélation et on utilise nos intellects pour comprendre la révélation, c'est comme si nous, nous sommes en pleine lumière et nos yeux sont ouverts. Mais quand on refuse d'utiliser notre intellect et on utilise seulement la révélation. C'est comme si nous sommes en pleine lumière, mais avec les yeux fermés. Exactement. Euh, même dans le Saint-Coran, Allah subhanahu nous dit plusieurs fois, est-ce que vous n'utilisez pas votre raison Est-ce que vous ne voyez pas les signes que nous vous avez apportés et des versets similaires comme ça. Oui, plusieurs versets dans le Coran. Euh, Est-ce que vous, n'utilisez pas votre, euh, votre intellect Est-ce que vous ne réfléchissez pas sur euh, ces choses Parce qu'il y a plusieurs signes euh, dans le monde que Allah a créé et que lorsqu'on réfléchit sur ces choses, on voit vraiment qu'il y a quelqu'un derrière la création de toutes ces choses. donc, bon, moi, je m'intéresse toujours sur le métaphore du imam Abu Hamid al-Ghazali que vous avez évoqué parce que c'est très important. Je crois que cette, ce métaphore est très important pour que les gens comprennent vraiment que il, il n'est pas suffisant d'avoir la révélation si on n'utilise pas nos intellects, nos intelligences, parce que intelligence plutôt, parce que même Allah nos défis dans le Coran. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas votre intelligence Pourquoi est-ce que vous ne réfléchissez pas sur à tout ce que vous voyez Donc, ce que veut dire, euh, comme vous l'avez dit, euh, comme Abu Hamid al-Ghazali l'a dit, si on, si on, on, euh, croit en la révélation, mais on ne croit pas à l'intellect humain, c'est comme si il y a un problème. Et le problème, c'est que c'est comme si nous sommes en pleine lumière et nous avons les yeux fermés. Mais si on croit la révélation, euh, si on croit à notre intelligence et on ne croit pas à la révélation, c'est comme si nous sommes euh, dans l'obscurité euh, et, avec les yeux ouverts. Donc, les deux doivent être en place. On doit utiliser les deux. donc, ceci est très, très important pour nos téléspectateurs et nos auditeurs aussi, parce qu'on a besoin des révélations et aussi on a besoin d'utiliser notre intelligence pour comprendre euh, euh, la révélation. Et... Alors, excusez-moi un peu, et, surtout pour compléter ce, sur ce qu'elle qu'elle a évoqué. Alors, il y a une euh, très grande importance que nous sommes en train de remarquer et que le rôle, du rôle que joue la charia intelligente dans l'intelligence humaine. Et vous voyez, et ce n'est pas, et au-delà même euh, et de, l'exemple, euh, de la métaphore de Imam Abu al-Ghazali, on peut aussi voir que et la charia intelligente préserve et protège en quelque sorte notre intellect dans l'accomplissement de notre eh, Donc, ce qui veut dire que et lorsque nous voyons le processus de la charia intelligente, vous voyez, et des questions telles que l'interdiction de l'intoxicant, vous voyez des questions de, et comment on appelle, euh, de, de, de la, de l'interdiction du, comment on appelle, d'une narcotique, narcotique. Donc, vous voyez, et quand on prend ces aspects, et la charia intelligente nous, nous pousse vers euh, l'acquisition même de, de la sagesse, dans l'acquisition de la chasse et surtout de la connaissance. Ça veut dire que la charia intelligente joue un rôle est très très et primordial dans la préservation et la protection de notre intellect. C'est juste euh, et ce que je voulais compléter sur ce qu'elle a, ce qu'elle a dit. Euh, euh, merci beaucoup. Et vous voyez, bon, c'est la raison pour laquelle même que l'émission est très importante parce que c'est nous essayons de faire savoir aux gens que oui, la révélation est là, mais l'intellect aussi est très très important. Et tu n'es pas jeter euh, l'intellect euh, euh, seulement pour la révélation, ou aussi même de ne pas rejeter la révélation pour l'intellect. Il faut utiliser les deux ensemble, c'est très très important. On ne peut pas utiliser un et laisser l'autre. Les deux dépendent à, d'eux. Donc, euh, Monsieur Ismail, quelle est l'importance du... est-ce que, si je peux, vous me permettez, est-ce que l'islam permet le, euh, le scepticisme, le, euh, euh, la doute ou même l'utilisation du raison, du raisonnement, à poser des questions. Est-ce que il faut seulement accepter ce que les, les, les érudits disent, les savants musulmans disent Il faut accepter sans condition tout ce que ah, le Coran ou même la sunna du professeur sallam dit sans questionner, sans poser des questions, sans vouloir savoir pourquoi est-ce que le Coran dit de faire ceci, ah, la sunna du professeur sallam dit de faire cela. Alors, et eh, merci beaucoup pour cette très belle question parce, parce que la plus grande part des polémiques de l'islam se trouve à ce niveau. La question pourquoi Alors, et eh, majoritairement, et eh, plusieurs de nos savants islamiques euh, que nous rencontrons ont l'habitude de dire que oui, les vérités islamiques sont à consommer telles qu'elles nous arrivent. Il n'y a pas une question de dire pourquoi, parce que pour eux, cela provient du, Coran et de la sunna du prophète. Donc, on doit accepter ça comme ça. Alors, lorsque nous remontons dans l'histoire même euh, de l'islam, nous allons voir avec euh, et dans, au début où Dieu voulait créer l'homme dans le processus de la création de l'homme, ou même l'ange a demandé pourquoi vous voulez eh, créer cet être humain, alors que vous savez que c'est un être qui ira et détruire le monde, qui, qui va amener ou qui va désacraliser tout ce que nous avons pris comme étant et eh, eh, sacré. Alors, Dieu lui a répondu. Dieu a répondu à l'ange. Alors, si déjà à ce niveau, dès le début de la création même de l'humanité, Dieu a répondu. Alors, ce qui veut dire qu'il y a une évidence très claire que... dans le Coran, on... oui, lorsque Allah disait aux anges, je veux crier à un être humain, et l'ange demandait, pourquoi est-ce que tu veux crier Oui, c'est... Juste seulement pour euh, faire savoir, ça se trouve dans euh, Surat al-Baqarah, oui, quelque part là-bas. Donc, pour ceux qui veulent bien comprendre ce que euh, le frère dit ici. Alors, merci beaucoup pour le compliment. Donc, vous voyez déjà, comme je le disais tantôt, il y a déjà une possibilité pour euh, nos frères musulmans de demander lorsque on vous présente euh, ou que lorsque vous êtes en face d'un juriste islamique qui est en train de développer des verdicts ou des fatwas auxquels vous êtes complètement bleu, il est permis quand même de, de demander afin de comprendre pour que et lorsque vous êtes en train d'imprégner, lorsque vous êtes en train de, et, comment on appelle, de relayer l'information, que vous ne commettez pas des, erreurs, que vous soyez sûr de ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est permis de demander. Alors, et là, ma deuxième, euh, mon deuxième euh, exemple, je peux le dire, et c'est, et, comment on appelle, lorsque Ibrahim a, a demandé à Dieu, mais comment est-ce que, à la fin, vous allez ressusciter. La question de la résurrection. Il a aussi demandé cette question et Dieu lui a montré que oui, il faut couper un oiseau et le jeter dans les quatre, euh, quatre coins. Car Dieu voit comment je peux et euh, ressusciter l'oiseau. Ce qui veut dire que... vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, parce que lorsque euh, ce que les chrétiens appellent Abraham, lorsqu'il demandait à Allah, comment est-ce que tu ressuscites mais la question, qu'Allah la question qu'elle lui est posée, je crois que c'est très très intéressant parce qu'il disait ici, ah voilà, ah, tu ne crois pas Il dit non, je crois, c'est seulement que je sois, ah, ah, ah, je sois sûr et que mon cœur soit à l'aise. Et Allah, lui a dit, amène un oiseau et découpe l'oiseau, mets ses, ses, euh, parties, dans... dans les différents euh, coins. dans le monde et, je vais euh, ressusciter je crois que la question qu'Allah lui a posée est très très importante. Très important. Il pose une question à Allah et Allah lui répond par une autre question. Tu ne crois pas Il dit non, je crois. C'est absolument que euh, je veux, je veux euh, que mon cœur soit à l'aise. Vous voyez, je ne veux pas euh, des doutes dans mon cœur. Je veux être sûr que oui, c'est ainsi qu'Allah fait face à ces choses. Même les prophètes, vous voyez, posent des questions à Allah sur ce qu'Allah fait. Alors, comment est-ce que tu fais ceci Mais poser des questions ne veut pas nécessairement dire que je ne crois pas. Ça veut seulement dire je vais être à 100% sûr à de ce que vous dites. Alors, merci et toujours et pour euh, votre, et, votre propre participation. Alors, je crois que et la, question, et la question qui m'est évidemment posée est très claire que on doit quand même poser des questions, surtout lorsqu'on ne comprend pas et qu'on est dans l'intention de comprendre enfin de parfaire notre connaissance et pour que nous soyons très proches et du messager et du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'on évite des erreurs qui plus tard deviennent des erreurs et une gravité alors on tombe et désormais dans l'extrémisme et de la violence qu'on n'arrive pas à contrôler. Alors, je continue et, aussi avec euh, un exemple très clair. Lorsque la, Vierge Marie et Myriam et devait tomber enceinte de, comment on appelle du comment on l'appelle Jésus-Christ hein? Jésus-Christ Isa demi-Isa, oui. Et eh, Issa, dis seulement Issa. Donc, euh, quand euh, il demandait, on leur a dit que vous allez, vous allez euh, mettre un enfant au monde. Il demande, mais comment ça Moi qui suis vierge, oh comment serait ah. possible que je puisse et quand même et naître un enfant Donc, elle était complètement étonnée. Mais on lui a dit, attends, tu vas voir. Et c'est devenu une réalité. Donc, il faut noter que Lorsqu'on parle de question du scepticisme, alors le scepticisme étant une théorie de doute permanent, est permis, il est permis de douter. Mais le doute ne doit pas être un doute euh, et vulgaire, mais il doit, ça doit être un doute méthodique. Un doute méthodique, méthodique parce que je demande pour pouvoir comprendre. Et une fois que j'ai compris, une fois que l'évidence fait surface, ça veut dire que mon doute est complètement éliminé. Donc, euh, et notre doute doit être un doute méthodique qui nous pousse vers la compréhension même et de, des verdicts et la clairvoyance des vérités islamiques. Alors, je m'arrête à ce niveau. Merci beaucoup. et ceci nécessite une patience très forte de la part des musulmans, parce que, euh, euh, ou même des savants, parce que euh, les gens vont poser des questions souvent qu'on trouve, mais c'est stupide cette question, vous voyez. Mais c'est stupide à vous, mais la personne qui pose la question, ce n'est pas stupide parce que la personne ne comprend pas à ah, pourquoi est-ce que vous dites ce que vous dites, ne comprend pas pourquoi est-ce qu'Allah dit de faire ceci ou cela. Ah, c'est après avoir bien compris ah, les raisons pour lesquelles on dit de faire ceci ou de faire cela, c'est ce moment la personne, oh, maintenant je vois. Donc, je ne crois pas qu'on doit dire des questions sont stupides. vous voyez, on doit être très très patient en tant que musulman envers les autres, même soit qu'ils soient musulmans ou non, ou non, on doit être très très euh, patient euh, envers eux quand ils posent des questions et essayer de... Parce que si vous voyez Allah subhanahu une personne pose la question à Allah subhanahu comment est-ce que Allah sait qu'il a la capacité de, euh, ressusciter. de ressusciter à n'importe quelle créature, de sécréer n'importe qui dans ces créatures. Ouais. Et une personne me pose la question est euh, comme que Vous voyez, euh, si c'était un, un être humain, il pouvait dire, pourquoi est-ce que tu me poses cette question là tu, tu, tu, ne connais pas ma capacité ou bien ouais. il, doute de, moi, exactement ouais. c'était un prophète c'était même prophète euh, de Dieu ouais donc mais avec Allah nous enseigne vous devrez être patient dans tout ce que vous faites quand, vous, quand on vous pose une question soyez patient soyez patient et à répondez aux autres parce que c'est lui qui pose la question. Il pose la question parce qu'il ne comprend pas. S'il comprenait, il n'allait pas poser euh, cette question. C'est très très important d'être patient, euh, d'avoir une connaissance et d'être patient en enseignant aux autres euh, de ce qu'on connaît. Oui, bien sûr, pour compléter, l'humilité humaine est vraiment très très évoquée dans ce passage-là parce que vous voyez, la plus grande part de nos erreurs que nous commettons en islam proviennent de, de comment on appelle, euh, de ceux que nous euh, respectons à juste titre comme étant des détenteurs du même euh, du, savoir islamique parce que en posant des questions et quand on vous rejette brutalement, désormais on suit, mais on suit avec doute. Parce que désormais je dis mais si je ne suis pas un musulman, je suis un musulman mais je ne comprends pas. C'est quoi la personne n'a pas cette ouverture, il ne permet, ça ne lui permet pas d'être euh, libre de vous demander des questions. désormais, il vous suit. Il fait semblant de vous suivre, mais quand même à l'intérieur, il est en train de souffrir. Il n'est pas à l'aise. Donc, euh, l'humilité est très, très importante euh, et dans, le processus de nos évocations, dans notre enseignement, dans nos enseignements et, islamique. islamiques. Donc, nous devons être humbles pour permettre aux autres de demander et qu'on puisse leur trouver des réponses adéquates à leurs euh, questions afin de, comment on appelle, de leur rassurer, et, de, rassurer leur foi islamique. Merci beaucoup. Merci. Hein. Sœur Khadija, euh, au bénéfice de nos téléspectateurs et nos auditeurs, quels sont les outils intellectuels qu'utilisent utilisent euh, les, les savants musulmans euh, je sais qu'on va bien parler de ces outils euh, dans les épisodes euh, suivants, mais est-ce que vous pouvez nous donner un résumé de ces outils intellectuels que les savants musulmans utilisent Merci beaucoup. Les outils utilisés par les savants sont les... D'abord, nous avons les premières sources du loi islamique Ici, je parle de, du Saint-Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on trouve euh, les choses divines et aussi on parle euh, des choses qui sont gaïbes, des choses que nous ne pouvons pas voir, entendre, comprendre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ambiguïté dans cela. Et ensuite, euh, les savants les savants islamiques utilisent aussi les sources secondaires euh, islamiques, Istisan, euh, Maslaha, Sharuman Kablana et les autres. Nous avons aussi ce que nous appelons les principes des filets de, sécurité. Nous avons Kawaïd, euh, nous avons euh, sharia et les autres. Merci beaucoup. merci. ce que veut dire que dans l'islam, les, les, les, savants de l'islam ont développé différents outils intellectuels qu'ils utilisent pour, euh, euh, pour arriver à des décisions juridiques, euh, pour, prendre des, pour la prise des décisions juridiques dans l'islam. c'est pas, ce ne sont pas des principes ou même des outils qui sont développés aujourd'hui. Ils ont été développés longtemps, dès le début même de l'islam. Et tout ce que vous avez mentionné euh, sont, euh, se trouve euh, dans ces outils. Mais Inch'Allah, je crois que on va bien faire le détail dans les, dans les épisodes à venir pour qu'on puisse, pour que vous pouvez, pour qu'on puisse aider à nos téléspectateurs et auditeurs aussi à bien comprendre ce qu'on appelle les principes, les outils. Quels sont ces outils Inch'Allah. Donc, Monsieur Ismail, depuis les épisodes passés, euh, dans cet épisode, on parle de, euh, on parle de la charia intelligence. Euh, que, sont, que sont ceux qui sont derrière la naissance même euh, de la charia intelligence Merci beaucoup, Tessilim, pour cette question. Alors, le coup de la charia intelligence est né par une organisation islamique et qui est douée des experts et qui a mené ses recherches dans, et dans le processus d'améliorer ou d'aider les frères islamiques dans la compréhension profonde ou d'une euh, de réorienter le débat islamique qui est devenu aujourd'hui une question polémique. Et, l'organisation, par exemple, on peut, on peut parler de Haïti, Haïti, si je prends le cycle, le cycle est ici défini en anglais, ce qui veut dire euh, Islamic euh, Education Trust. Donc, euh, si c'est permis de, traduire ça en anglais. Alors, on a le, le DIN. Le DIN, ça veut dire Dawa et l'Institut de Dawa. L'Institut de Dawa. Alors, il y a quand même euh, des experts et des, des spécialistes et des vrais connaisseurs qui ont fait des recherches très profondes dans et notre accomplissement de la charia afin de développer l'humilité et de, de, nos, de nos savants islamiques dans et la recherche même ou dans le développement, excusez-moi, dans le développement des, des, fatwas et des verdicts islamiques afin qu'on évite de commettre des erreurs et, de, de, les, de les permettre quand même euh, de, de préserver, de protéger leurs euh, raisons dans la question du développement de leur, euh, de leur fatwa et des verdicts. Donc, il faut dire que c'est très, très important. Et l'auteur même est de, de la charia intelligente, c'est le Dawah Institute, qui, a, qui est à la base de, cette, de ce cours islamique qui aide aujourd'hui le monde le monde entier à comprendre l'islam dans une autre euh, direction. Alors, merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Euh, le Dao Institute, euh, qui fait partie de l'Islamic Education Trust, est basé, se situe au Nigeria, à Mina, précisément, dans l'État des Niger. ils ont fait des, des formations d'un peu partout dans le monde, en Malaisie, en Australie, même aux États-Unis, au Royaume-Uni, à à peu près partout. Ah oui, à peu près partout dans le monde. ils ont aussi euh, un département euh, qui se base sur les recherches scientifiques euh, dans l'islam et c'est eux qui ont développé ce, cours. pour aider aux musulmans. Je crois essayent de simplifier la connaissance de la jurisprudence islamique pour que tout musulman euh, qui est intéressé puisse euh, apprendre et aussi comprendre euh, cette filière. Parce qu'il y a, il y a plusieurs livres, il y a plusieurs études dans la jurisprudence islamique qui sont un peu partout, mais ils sont très très difficiles à comprendre parce que les auteurs ont pour objectif, d'enseigner ceux qui, ceux qui sont arrivés à un niveau plus haut, pas à euh, la population. Donc, euh, mais c'est ce que euh, le Darwin Institute fait, c'est de d'amener cette connaissance et distribuer cette connaissance parmi la, majorité des musulmans. Donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Inch'Allah. Je crois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui et continuer dans l'épisode prochain. Et merci à nos téléspectateurs et auditeurs aussi. ici, on va dire Assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته